forum district the forum district the forum district kalam the forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers les réseaux des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Le forum d'aujourd'hui est une causerie autour de l'allaitement maternel, un sujet de préoccupation au Niger dans, euh, dont votre studio a bien voulu parler en donnant la parole aux acteurs pour approfondir vos connaissances à la matière. C'est aussi une manière d'accompagner la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui se tient chaque année du 1er au 7 août, mais le Niger la célèbre du 5 au 12 octobre. Le thème retenu cette année est l'allaitement maternel, une clé pour le développement durable. Il s'agit de mettre l'accent sur la pratique de l'allaitement optimal des enfants de 0 à 2 ans. L'allaitement maternel met en avant le lait maternel qui, dit-on, est un aliment idéal pour les nourrissons. Au cours des 45 minutes que va durer cette causerie, nous allons nous demander ce que c'est d'abord l'allaitement maternel, ses avantages, est-ce qu'il y a une différence entre cet allaitement maternel que nous connaissons et celle, euh, celui qui est fait dans nos sociétés traditionnelles, pourquoi l'accent est mis sur ce type d'allaitement, au détriment par exemple de l'utilisation du biberon, qui dit la religion islamique dans un pays à plus de 98% de musulmans. Et il faut retenir aussi que dans son message à la nation, à l'occasion de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement en août dernier, le ministre de la Santé par intérim indiquait qu'au Niger, seulement un enfant sur cinq a été exclusivement allaité au sein de la tranche d'âge de 0 à 6 mois. C'est-à-dire que dans 77% des cas, ces enfants ont déjà reçu autre chose en plus du lait maternel. C'est un chiffre qui interpelle plus d'un. Alors pour répondre à toutes ces questions et peut-être commenter ces chiffres, nous avons des invités dans ce studio en direct. Il s'agit de Dr Maman Sali, qui est médecin. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être venu. Et M. Souley Adamou, euh, qui est de l'UNICEF. Monsieur Souley. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être venu. Et en principe, nous aurons euh, Malam Abdou un religieux que nous aurons en ligne euh, d'ici peu. Oui, avant de venir à nos invités dans ce studio et appeler l'autre invité qui est en ligne et qui n'a pas pu faire le déplacement, donc euh, nous allons à Maradi pour pouvoir suivre ce reportage euh, sur l'allaitement maternel avec euh, notre correspondant dans la région, Mohamed Maman. Au district sanitaire de la ville de Maradi, un centre qui accueille les femmes et les enfants, les sages-femmes conseillent aux femmes qui viennent juste d'accoucher de donner le premier lieu au nouveau-né. En effet, certaines considérations traditionnelles prétendent que donner le premier lait appelé colostrum peut provoquer la diarrhée chez le nourrisson. Madame Halima, sage-femme, explique comment elle s'y prennent avec les nouvelles mamans. Dès que la femme accouche, on lui conseille de donner le sein à son enfant, puisque ça permet la descente du lait, premièrement. Et puis le premier lait, là, c'est lui qui contient beaucoup de nutriments aussi, Il protège l'enfant et puis qui nourrit l'enfant. Ça ne nécessite pas des moyens financiers, c'est gratuit et puis compte tenu aussi du, du bienfait que ça fait à l'enfant, côté santé et côté nutrition, on conseille vivement aux femmes d'allaiter leur enfant au sein. Aujourd'hui, ces conseils prodigués par les agents de santé sont-ils bien compris En tout cas, les mamans qui choisissent d'allaiter en voient les bienfaits. C'est le cas de Madame Maimouna. Elle pratique l'allaitement maternel exclusif pour le bien-être de son enfant. C'est du lait maternel que je lui donne à tout moment. Ainsi, Dès qu'elle se réveille, je la mets au sein. Quand elle est assise, je fais de même. En fait, je la mets constamment au sein si elle ne dort pas. Et le soir, je passe la nuit à l'allaiter pour qu'elle n'ait pas faim par après. Je m'occupe de ma fille très bien, ce qui fait qu'elle ne souffre de rien à ce moment et passe tout son temps à jouer. En réalité, si on allait l'enfant d'une manière constante, c'est mieux. Même s'il dort des fois, il faut le réveiller pour le mettre au sein, sinon il risque d'avoir une faim chronique. De 2011 à 2014, le taux de l'allaitement maternel exclusif est passé de 4% à 23% au Niger. C'est l'une des bonnes pratiques promises par l'UNICEF et dont l'efficacité sur l'amélioration de la survie de l'enfant a été démontrée par plusieurs études. Il a été scientifiquement prouvé l'allaitement maternel exclusif peut réduire la mortalité infantile de 13% au minimum. Comment en réduisant considérablement la fréquence de la diarrhée qui constitue un facteur déclencheur de la malnutrition chez l'enfant. Mohamed Maman, depuis Maradi, pour le studio Kalangou. Voilà, merci Mohamed Maman pour ce reportage sur l'allaitement maternel depuis Maradi. Nous revenons au studio et pour là, c'est pour prendre docteur Momansani. Sani. Bonsoir, une fois de plus. Vous avez écouté ce reportage, mais je voudrais juste que vous nous définissiez d'abord, avant d'appeler le troisième invité, ce que c'est l'allaitement maternel. Euh, merci bien, M. Amado. Merci le studio Kalangu pour cette euh, opportunité que vous nous offrez pour euh, nous exprimer en tout cas à l'occasion de la semaine de l'allaitement maternel et effectivement apporter notre contribution, en tout cas euh, sur euh, la promotion, en tout cas j'allais dire de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, en fait, par définition, c'est juste le fait effectivement que l'enfant soit allaité avec le lait effectivement de sa maman. Donc, euh, il peut y avoir l'allaitement exclusif et l'allaitement mixte. Donc, comme vous avez parlé effectivement dans votre présentation et dans l'autre reportage, on parle de l'allaitement optimal, on parle de l'allaitement exclusif, c'est-à-dire l'enfant ne prend que le lait maternel le six premiers mois de la vie. Donc jusqu'à six mois, l'enfant, c'est seulement le lait maternel, sans additionner rien, même aucun, même, pas l'eau. Donc c'est juste l'allaitement, c'est juste l'allaitement au lait maternel de manière exclusive jusqu'à six mois. Maintenant, après six mois, on a ce qu'on appelle l'aliment de complément en, en, fonction de l'âge de l'enfant. Et là, effectivement, on complète jusqu'à l'âge de deux ans ou plus. Parce que c'est ce qui est défini effectivement à une politique de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Nous, nous allons revenir sur cette politique. Merci pour cette définition. Nous allons rejoindre en ligne euh, Oustaz Abdel Fattah. Bonsoir Oustaz. Bonsoir, comment allez-vous Oui, nous allons bien. Je pense que vous avez suivi docteur Mamansani sur euh, l'explication de l'allaitement maternel de façon scientifique. Dans le domaine de la religion, comment est-ce que euh, l'islam, puisque vous êtes euh, marabout, définit l'allaitement maternel Et comment ça doit être l'allaitement maternel, déjà, est une tradition islamique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, euh, a été confié même à, Lima Halima pour être Et si la maman elle-même ne peut pas faire, elle peut engager euh, une autre personne. Et le verset de Coran aussi nous dit que si la mère elle-même veut allaiter ou bien le couple, le père et, la mère veulent que l'enfant soit allaité, ça doit être fait sur deux périodes. et Kamelein deux ans est-ce que vous Oui, je vous, entends. Bon, voilà. Donc, euh, c'est une tradition musulmane que la mère allaite son enfant, soit elle-même ou elle donne ça à une autre mère pour l'allaiter. Mais comment ça doit se faire cet allaitement C'est-à-dire euh, Comment est-ce que la femme ou bien la maman doit pratiquer cet allaitement dont vous parlez Oui, euh, e-, exactement. C'est-à-dire que tel que le, notre spécialiste, le médecin vient de le dire, c'est exclusivement le lait maternel de la maman qui doit être donné à l'enfant. Les, six mois. Bon, le, Coran n'a pas précisé dire que bon, soit vous voulez six mois, ou vous, voulez prolonger un an, ou vous voulez aller au-delà d'un an. Plus l'enfant grandit, peut-être le lait peut ne, pas, ne plus le suffire, il a besoin encore d'autres aliments en additif. En ce moment, la main peut le donner. Mais au, premier, au premier mois de sa naissance, c'est le lait exclusivement qui doit être donné à l'enfant. Et pourquoi l'islam encourage ce type d'allaitement eh, L'islam étant la source de, tout, de, tous les savoirs, et que le savoir provient de Allah qui connaît tout, donc c'est pour ça que l'islam a dévancé tout le monde dedans. Alors, vous, vous êtes religieux. Si aujourd'hui on vous demande d'aller expliquer aux populations l'importance de l'allaitement maternel, qu'est-ce que vous allez leur dire eh, Moi, je vais leur dire que euh, c'est Allah qui a recommandé ça et que ça doit être fait. qu'il y a des versets du Coran qui, le disent. Et il y a aussi le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est né, il a été allaité d'abord par sa maman, avant que bon, la maman ne, trouve, ne, cherche encore une autre femme pour l'allaiter Alors, vous avez, nous avons ici quelques chiffres hein, qui interpellent. Mhm. Par exemple, un chiffre du ministère de la Santé qui dit qu'à peine 23% allaitent, mhm. pratiquent l'allaitement maternel, soit 77% mhm. qui ne le font pas. Euh, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce chiffre-là Vous savez que beaucoup nous pratiquons l'islam sans, sans, sans se former. Le Coran est là, on ne le lit pas pour savoir quel est son contenu. Les gens pratiquent l'islam les yeux fermés, on ne se forme pas. <laughs> D'accord. Merci beaucoup, Abdel Fattah, pour ces précisions. Ok, merci. Merci et bonne soirée. Merci. Voilà, vous venez de suivre euh, notre troisième invité qui n'a pu faire le déplacement dans ce studio. Il s'agit de Oustaz Abdel Fattah sur euh, les bienfaits de l'allaitement tel que le dit euh, l'islam. Nous revenons au studio avec euh, notre deuxième invité, M. Adamou. Merci pour d'être venu. Monsieur le, spécialiste a défini ce que l'allaitement maternel. Vous, vous travaillez dans le domaine, je veux parler de l'UNICEF. Qu'est-ce que vous avez ajouté sur, cette définition Merci beaucoup, Monsieur Hamadou. Je remercie également Kalangu pour nous donner cette opportunité-là de parler de l'allaitement maternel. comme l'a dit docteur euh, Sani, l'allaitement maternel, c'est vraiment euh, la prise des seins, le fait de donner le lait exclusivement à l'enfant dès sa naissance jusqu'à l'âge de, de, six mois. C'est ça l'allaitement maternel exclusif. Maintenant, à partir de six mois, on continue à donner le lait à l'enfant. Maintenant, on apporte un additif, donc une alimentation de complément pour pouvoir subvenir aux besoins nutritionnels de l'enfant. Il faut dire que, entre l'intervalle 0 à six mois, le lait maternel à lui seul suffit pour pouvoir combler tous les besoins nutritionnels d'un enfant. C'est pourquoi euh, euh, de façon globale, il est recommandé à ce que les femmes donnent exclusivement le lait jusqu'à l'âge de 6 mois. C'est-à-dire sans eau ni décoction. Et les, les, recherches et les études ont prouvé que pendant cet intervalle-là, tous les nutriments dont l'enfant aura besoin vont euh, euh, vont lui être apportés à partir de, de lait de sa maman. Il faut bien le préciser. Oui, c'est important. L'UNICEF, euh, le Fonds des Nations Unies pour lequel vous travaillez, encourage beaucoup ce type d'allaitement maternel. Mhm. Pourquoi vous vous intéressez beaucoup à, à cette thématique D'abord, il faut dire que le lait maternel, en plus de, concourir vraiment à la réduction vraiment de la mortalité infantile, c'est également un autre facteur très important pour nos États, surtout les Niger, des États en voie de développement comme le Niger, parce que le lait maternel est un élément qui, euh, euh, en plus de, contribuer à la réduction de la mortalité infantile, il contribue également au développement et, à l'épanouissement des citoyens des États. Hein. Parce que tout enfant qui est allaité jusqu'à l'âge de 6 mois et l'allaitement continue jusqu'à l'âge de 2 ans, ça donne une opportunité, une chance à cet enfant-là d'avoir de, de, une bonne croissance. Donc, de, facto, c'est tous les citoyens de l'État qui bénéficient de l'allaitement maternel. Et en plus, il faut dire que l'allaitement maternel contribue également euh, euh, euh, au développement global de l'État. Parce que tous les enfants qui sont allaités exclusivement vont, vont, contribuer à la productivité de, leurs États. Donc, ça, a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Nous allons y revenir. docteur Mamassani, et celle qui pratiquement l'allaitement maternel tel que vous le dites, à quoi elle s'expose euh, Merci bien. En tout cas, les risques euh, liés à la non-pratique de l'allaitement maternel sont multiples. Parce que ce qu'il faut, c'est d'abord au niveau de l'enfant même, du bébé, j'allais dire, de sa maman et même de la communauté ou euh, de manière générale. Maintenant, pour ce qui est du bébé, de l'enfant, il y a ce qu'on appelle, parce que on dit à la première heure en principe, il faut que l'enfant soit mis au sein qu'il bénéficient de ces premiers laits, c'est très important. Le premier lait jaune là que vous, vous, voyez dès que la femme accouche, c'est ce qu'on appelle le colostrum. Ce premier lait constitue pratiquement la première vaccination pour l'enfant parce que ça apporte des anticorps qui vont protéger effectivement l'enfant contre pratiquement beaucoup de maladies qui le vaccin euh, que nous trouvons effectivement dans nos officines, qu'on fait dans la vaccination de routine, ne peuvent pas effectivement, euh, je ne sais pas, euh, la vaccination, en fait, la protection qui ne peut pas conférer, n'est-ce pas, d'autres vaccins. En fait, c'est ça le colostrum, c'est ça l'intérêt du colostrum. Ça protège en même temps contre effectivement euh, les infections, c'est-à-dire les différentes maladies, mais c'est aussi un vaccin naturel. Donc ça, profiter de ça pour que c'est pour ça on insiste dès qu'une femme accouche dans la consultation prénatale, dès que les femmes viennent en CPN, on leur explique faites tout. C'est pour ça on insiste. Un des intérêts d'accouchement en fait euh, assisté par un personnel qualifié qui se fait dans nos structures de santé. Dès que la femme accouche, euh, si on nettoie l'enfant, on lui donne, on le met au sein et qu'il puisse effectivement téter le premier lait. Ça va lui apporter effectivement que euh, le colostrum qui contient, comme je disais, des anticorps, des antibiotiques et pratiquement tout le nutriment, comme l'a dit euh, Moussa, tout le nutriment nécessaire effectivement pour le développement de l'enfant. Voyez-vous, celui qui n'a pas pris ça est susceptible effectivement de développer toutes les maladies, beaucoup de maladies. Donc, euh, c'est ça en réalité les risques. Et vous connaissez l'enfant, il y a une, même pas à comparer entre l'enfant qui est allaité au lait exclusivement et celui qui ne l'est pas en termes de développement des maladies. Et je ne sais pas, les études l'ont montré, et de vos reportages, vous l'avez rappelé, il a été démontré que l'allaitement maternel réduit d'au moins 30% la mortalité infantile. Et c'était un des aspects sur lesquels nos États, nos pays se sont Apaisantie pour pouvoir réduire, en tout cas dans le cadre de l'atteinte des objectifs de millénaire pour le développement, euh, pouvoir réduire le taux de mortalité, n'est-ce pas, infantile. Ça, je parle du premier lait, le colostrum. Mais aussi, le lait maternel, il facilite la digestion. Vous savez, l'enfant, dès qu'il est né, il est souhaité que l'enfant élimine ce qu'on appelle le meconium. Il y a de sel noirâtre là qu'il faut éliminer. Donc c'est ce qui, si celle n'est pas éliminée, l'enfant a toujours des problèmes de digestion. Mais si l'enfant arrive effectivement à téter le lait maternel dès sa naissance, dès la première heure qui suit sa naissance, ça lui facilitera effectivement la digestion et il va éliminer ses méconiums, et effectivement, ça va contribuer à la maturation de son système digestif. Vous savez, l'enfant, avant qu'effectivement ce système digestif ne s'habitue à la digestion, c'est un problème. Mais imaginez quelqu'un qui, dès sa naissance, on lui donne peut-être de l'eau ou du date ou je ne sais quoi. Alors là, ça va contribuer effectivement à compliquer sa digestion. Mais si c'est le lait maternel, comme je l'avais dit, ça contient en même temps et des antibiotiques et des anticorps qui vont faciliter effectivement la digestion et ça va lui permettre d'éliminer ce que j'appelle le méconium. Il y a aussi un autre élément très important, l'affection entre l'enfant et surtout, surtout sa maman. Ça, c'est très important parce qu'un enfant qui est allaité, il n'y a même pas à comparer qu'un enfant qui n'est pas allaité en termes d'affection enfant, maman, ça c'est quelque chose. Qui si je vous comprends bien, l'allaitement maternel n'a que des avantages il a des avantages, oui, il a beaucoup d'avantages, très sincèrement. Je ne peux pas dire qu'il n'a que des avantages, mais il a énormément d'avantages et c'est ces avantages que nous sommes en train effectivement de tirer profit. Et je ne sais pas que le thème qui a été choisi cette année, on dit l'allaitement mm. maternel pour un développement. Nous allons revenir à ce thème. Euh, et, là, c'est avec euh, euh, Donc, le, thème de cette semaine, c'est de, de, de, ce, de cette année, c'est l'allaitement maternel la clé du développement durable. Vous êtes une institution qui promet l'allaitement maternel. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette thématique, par le choix de ce thème Oui, monsieur Amado, avant de répondre à votre question, je, voudrais euh, juste rajouter par rapport à ce que le docteur Sani vient de dire, les avantages de l'allaitement maternel. Il faut comprendre que le, lait maternel, déjà, il est gratuit. C'est quelque chose qu'on n'achète pas. Et c'est la, lait... maman mange la, la maman mange, bien évidemment. Peut-être qu'elle n'a pas les, les moyens. On, va revenir sur ça Oui, on peut, revenir sur, sur celle Donc le lait est gratuit. Le lait est gratuit. Et le lait, c'est un lait qui ne se gâte pas. Donc on n'a pas besoin de le mettre au, frigidaire ou autre pour pouvoir le conserver. Donc le lait peut le consommer quel que soit le temps, qu'il fasse frais ou qu'il fasse chaud, l'enfant peut le consommer il est toujours à une température vraiment qui est adéquate pour, euh, pour que l'enfant puisse le prendre. Maintenant, euh, revenons à, votre question. Donc, cette année, comme vous l'avez bien, bien noté, euh, c'est l'allaitement maternel clé du développement durable. Clé du développement durable. Dans l'introduction, je le disais, il ne faut pas voir l'allaitement maternel comme étant seulement quelque chose, quelque chose qui, qui va euh, contribuer au bien-être de, développement des enfants. Au-delà de cela, l'allaitement maternel est, un aliment, une, des meilleures en tout cas, euh, euh, façons pour nos États d'avoir un développement durable. Le développement durable, pourquoi Parce que le lait maternel contribue à la, à la réduction de la pauvreté. Le lait maternel, quand il est donné aux enfants, il contribue à la réduction de la faim. À la réduction de la pauvreté. De la pauvreté et de la faim également. Le lait maternel. Mais quel est le lien le, lien, c'est que quand, euh, quand nous avons des citoyens qui sont euh, euh, allaités exclusivement au, sein, quand, quand ils, ont, ils ont vraiment toutes les opportunités d'avoir un développement conséquent pour contribuer vraiment à la productivité de, leur, de leurs États. Donc, c'est là qu'on dit que l'allaitement maternel contribue vraiment au développement des États. Et, le lait maternel également, il ne contribue d'aucune manière vraiment à la dégradation de l'environnement. La, de Donc, vous voyez, c'est vraiment euh, une clé pour le développement durable. Merci Soleil pour ces précisions. Docteur, euh, alors c'est dit que l'allaitement euh, a beaucoup d'avantages, Sinon, tout est avantage pour l'allaitement maternel. Mais est-ce que cela est compris par les populations comme telles euh, Je pense que euh, je ne dis pas est totalement compris, mais c'est en train d'être compris. C'est pour ça, en fait, euh, si vous voyez, je ne sais pas pour revenir un peu sur euh, le thème. On dit c'est la clé d'un développement durable. Ça, je pense que c'est plus que certain que l'allaitement maternel constitue une clé pour le développement durable. Et pourquoi Parce que, vous savez, euh, si on prend l'exemple du Niger, le Niger, c'est un pays où, si on prend euh, la prévalence de la malnutrition, surtout dans sa forme chronique, parce que je ne sais pas, quand vous parlez de malnutrition chronique, c'est une malnutrition quand elle s'installe, ces conséquences sont irréversibles. C'est-à-dire même si l'enfant grandit, le tard causé effectivement par cette malnutrition sont, euh, ne sont pas corrigeables. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. On dit les conséquences sont irréversibles. Et évidemment, l'allaitement maternel, surtout la pratique euh, de l'ange euh, optimal, l'alimentation de nourrissons et d'hygiène enfant optimale, permet effectivement de prévenir, n'est-ce pas, cette malnutrition chronique. Au Niger, ce qui est triste, euh, nous avons un taux de malnutrition chronique qui dépasse 40%, presque 50%. Donc, on voulait dire qu'un enfant, un Nigérien, enfant nigérien sur deux est malnutri chronique. Et quand on parle de malnutrition chronique, j'ai dit que ses conséquences sont irréversibles. Cela veut dire que même l'enfant, quand il va devenir grand, excusez-moi des termes que je vais utiliser, peut-être on aura des crétins dans notre société. Mais imaginez quand on prévient cela, cela veut dire que ces enfants qui peuvent effectivement être productifs lorsqu'ils sont dans leur vie scolaire et quand ils vont grandir aussi, ils vont contribuer au développement de la nation. Mais imagine un enfant qui était déjà malnutri chronique, même à l'école, il ne va rien apprendre parce qu'effectivement... ça, vous faites le lien avec euh, la malnutrition. Oui, en fait, c'est ça. dans la pratique, comment c'est fait Comment ce cet allaitement est pratiqué oui, en fait, c'est cela maintenant pratiquement euh, le l'État avec le partenaire qui l'appuie dans effectivement la mise en œuvre de sa politique. On est en train de passer maintenant à la mise au programme à base communautaire. Et c'est ça qui permet à la population de comprendre l'intérêt, n'est-ce pas, de l'allaitement maternel. Parce qu'avant, euh, si, je prends, parce qu'il faut toujours faire les liens avec la malnutrition, parce que quelqu'un qui n'est pas allaité, quelqu'un qui n'est pas allaité au lait, je dirais, a beaucoup plus de chances d'être malnutri que quelqu'un qui l'est. Mais est-ce qu'il y a une différence entre cet allaitement dont on parle de tous les avantages et l'allaitement tel que pratiqué dans nos sociétés Oui, il y a une différence. Et la différence, c'est quoi cest dit dire c'est l'allaitement exclusif, parce que les gens allaitaient, mais c'est des allaitements, c'est ça que j'ai voulu préciser depuis le, début. Il y a des types. On, n'a parle de l'allaitement exclusif et l'allaitement mixte. Et les gens faisaient l'allaitement mixte. Dans notre société, l'enfant, dès qu'il naît, on dit il faut chercher ma il faut chercher de la date, il faut lui donner de l'eau. C'est ça, on donne à l'enfant. La première des choses, il faut donner de l'eau à l'enfant. Non, la première des choses, il faut donner le lait maternel à la première heure après l'accouchement. Ça, c'est très important. Et continuer à donner rien que le lait maternel. Je dis bien rien que le lait maternel, sauf prescription médicale jusqu'à l'âge de 6 mois. Ça, c'est très important. Maintenant, à partir de 6 mois, lorsque l'enfant commence à grandir et qu'effectivement le lait maternel ne suffit pas, n'est-ce pas, pour apporter suffisamment de nutriments, alors là, il faut apporter l'alimentation des compléments de manière progressive. Donc, si ça, je, vous comprends bien, c'est beaucoup plus mixte. Oui, voilà. Avant, c'était beaucoup plus mixte. La femme, bon, la femme, donc l'enfant, c'est pas, on fait l'allaitement, bon, depuis euh, l'enfant, euh, depuis qu'il est nourrisson, on lui donne de n'importe quoi. Les, les, en fait, c'est ça, en réalité. C'est un cheminement. On dit à partir jusqu'à six mois donné, rien que le lait maternel. Maintenant, à partir de six mois, il faut effectivement apporter des éléments qui sont euh, liquides jusqu'à peut-être arriver à un an, commencer à diversifier l'alimentation. Et même l'alimentation, il faut apprendre parce que c'est pas n'importe quoi qu'on donne aux enfants. Il y a des aliments même avant l'âge de un an, peut-être de six mois à à, jusqu'à 9 mois, 12 mois. Il y a des aliments qui sont conseillés, des purées de légumes et tout ce qui s'ensuit, qui peuvent apporter énormément de nutriments pour favoriser effectivement la croissance, qu'elle soit physique et euh, mental surtout de l'enfant. Alors l'enfant qui n'a pas réussi effectivement cette alimentation optimale, cette alimentation adéquate, vous êtes d'accord avec moi que même son développement, en tout cas psychique, n'est pas le même que celui qui a suivi le même. Euh, Monsieur Soleil, vous qui êtes euh, qui promet l'allaitement maternel exclusif, mhm. comment vous vous abordez cette thématique d'allaitement maternel, mais sur le terrain c'est mixte. On va revenir sur les chiffres, mais pour le moment, comment vous l'abordez Comment vous l'analysez oui, il faut, il faut dire que euh, c'est vrai, les, chiffres, les, euh, on est présentement à 23%, comme vous le dites, de pratiques d'allaitement maternel exclusif. Mais il faut dire que. Ce qui est peu. C'est qui euh, vraiment peu, mais il faut, il faut reconnaître que le Niger a beaucoup évolué par rapport à la pratique. Il y a quelques années de cela, je dirais une décennie, on était à moins de 10% de pratiques d'allaitement. Maternelle exclusive. Maternelle exclusive. Comme l'a dit docteur Sani, aujourd'hui, cette pratique-là, elle est, elle, est, beaucoup adoptée dans les communautés, surtout en zone rurale. Il faut dire que le problème persiste encore en zone urbaine, où euh, euh, nos épouses continuent à penser que qu'après euh, l'accouchement, il faut donner l'eau minérale ou autre chose ce qui n'est pas du tout euh, normal, ce qui ne contribue pas au développement de l'enfant. Vous voulez dire qu'il n'y a pas une différence entre les zones rurales et les zones urbaines euh, Par le passé, oui. la pratique au Niger, hein, elle était beaucoup plus un allaitement mixte. C'est beaucoup plus, on, dit qu'on fait l'allaitement, mais euh, on donne beaucoup plus de, de l'eau et également des décoctions, des dates, selon vraiment les localités. Vous allez voir, euh, et qu'il y a toujours quelque chose qui est ajouté à l'allaitement. Hein. Mais il faut, il faut reconnaître qu'il y a des, des, communautés ici au Niger, surtout euh, je parlerai des, des, nomades, qui depuis fort longtemps ont toujours pratiqué l'allaitement exclusif. Je, vous parlerai de, avec réussite. Avec réussite. Et c'est pourquoi, euh, en tout cas, tous les statistiques sur les problèmes de malnutrition on, constate que celle-là n'est pas trop fréquent dans les communautés nomades, surtout les Touaregs. Parce que ça, faisait partie de leur culture, l'allaitement exclusif, depuis fort longtemps. Mais quelles sont les causes de l'allaitement mixte dans nos sociétés Les causes, elles sont, elles sont, elles sont, multiples, surtout culturelles, je dirais dans nos communautés, vous allez entendre dire que euh, le, lait, le premier lait est mauvais. Il faut le tester il faut voir si l'enfant, euh, quand il va le prendre, il, risque de mourir. Ou bien, euh, il faut faire le test de, lait. Ou bien, ce n'est pas euh, la mère à la mère de donner le premier lait, c'est à une autre voisine, une autre mère qui doit donner le premier lait. Donc, vous voyez un peu le problème. Ou, dans certaines communautés, ici au Niger, vous allez voir des femmes à qui on interdit de donner le premier lait parce que c'est quelque chose qui euh, doit être euh, euh, indiqué par la belle-mère ou un membre de la, belle-famille en tout cas. Les causes sont nombreuses. Elles sont nombreuses. docteur Sani, qu'est-ce que vous en savez de ces causes Bon, les causes, je ne sais pas si, parce que s'il faut le faire, ressortir les déterminants en tout cas de euh, les, plus importants quand même. Les plus importants, en tout cas l'aspect culturel euh, occupe une place importante, ça c'est sûr. Mais je dirais aussi euh, l'ignorance aussi n'est pas à négliger dans cet état de fait. Vous avez maintenant, avec comme il a dit, ces dix dernières années, avec l'implication de tous, effectivement, pour pouvoir amener les gens à changer de comportement par rapport à ça, on arrive effectivement à avoir des résultats. Moi, je pense que c'est surtout ça, la culture, n'est-ce pas, et surtout, surtout l'ignorance. Mais si on communique bien parce qu'à travers effectivement la communication pour un changement de comportement, on peut arriver effectivement à amener les gens. Donc il faut mettre les paquets sur l'éducation nutritionnelle de manière globale pour pouvoir amener les gens à comprendre l'intérêt de l'allaitement euh, maternel exclusif. Pour ce qui est des causes, donc, les, les plus déterminants, c'est l'aspect culturel. L'aspect culturel et l'ignorance, oui. Et l'ignorance. Euh, donc, euh, M. Sani, euh, Soleil Adamou, alors, la réalité est que bon, la pratique continue. Vous avez parlé des chiffres, mais qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ces causes-là Sur les causes de. Oui. Comment vous l'abordez avec euh, les communautés bah, il, faut, il faut dire qu'avec les communautés, je, vous le disais tantôt, on est en train de, percevoir vraiment euh, des bons signes pour une amélioration vraiment de la pratique, de l'adoption de la pratique. Vous mettez l'accent sur quoi sur, euh, sur la communication, comme il l'a dit, sur euh, l'importance de l'allaitement et, les, conséquences de la non-pratique de l'allaitement aux communautés. Il faut, qu'ils comprennent cela pour euh, prendre conscience du, risque pour, pour les enfants et également au-delà pour les membres de la communauté. Et quelles sont les conséquences de la non-pratique est vous pouvez être plus explicite sur cet aspect Les conséquences, c'est que euh, vous, allez avoir un enfant qui est, exposé à beaucoup de maladies. un enfant qui, euh, euh, ma foi, n'aura pas une bonne croissance, un enfant qui n'aura pas un développement psychomoteur vraiment très optimal, et, vous aurez euh, au finish un enfant qui, quand il va, euh, euh, du point de vue scolarité, il ne va pas être vraiment productif. Donc un enfant qui ne va pas contribuer vraiment au développement de, son propre développement à lui et également du développement de la communauté. Nous allons observer une courte pause, le temps de revenir sur les autres aspects de cet allaitement maternel à Niami sur la radio alternative 99.4 FM et sur la radio Ampani 100 FM à Minisoroa, sur la radio Mangari 95.1 FM à Birningauri sur la radio Maraba 95.1 FM à Dolbel sur la radio Goriol FM 95.1 FM à Saï sur la voie de la Tapoa 99 FM à Mayaï sur la radio Anouri 99 FM à Tamaski sur la radio Muria. 98 FM à Bouza sur la radio Takarkara 99 FM à Magaria sur la radio Kitari 101.5 FM Studio Kalangou au rythme du Niger Studio Kalangu Merci, nous revenons dans le studio avec nos invités, euh, M. Souley Adamou de l'UNICEF et Dr Sani Docteur, quel est le rôle du couple dans la promotion euh, de l'allaitement maternel je veux parler de la femme et à côté d'elle, l'homme. Euh, le rôle du couple, en tout cas, c'est de se soutenir mutuellement et que tous les membres de ce couple, que ce soit l'homme ou la femme, comprennent l'intérêt ou du moins les avantages de l'allaitement maternel. On en a cité beaucoup d'avantages, que ce soit pour l'homme et que ce soit pour la femme, et pour le bébé. Nous ne sommes beaucoup pas pesantis sur euh, les avantages pour le bébé, mais même pour la femme, elle a des avantages. Vous savez, euh, au Niger, la première cause de la mortalité parce que l'allaitement maternel n'a pas seulement des conséquences sur la réduction de la mortalité infantile. Même sur la réduction de la mortalité maternelle, l'allaitement maternel a effectivement euh, un, effet bénéfique. En fait, je dirais parce que, vous savez, si la femme met l'enfant au lait, si l'enfant suce le lait, ça permet effectivement la contraction euh, de muscles et ça arrête l'hémorragie après l'accouchement ça arrête les saignements que fait les femmes après l'accouchement. Donc, et ce saignement, euh, selon les statistiques, il a été prouvé que c'est la première cause de mortalité maternelle, c'est-à-dire mortalité de la naissance jusqu'à la quarantaine, pratiquement ça qu'on appelle la mortalité maternelle. Donc si la femme allait son enfant, euh, exclusivement au lait, ça contribue à arrêter effectivement ces saignements. Donc, voyez-vous, ça. Il y, a, y a le rôle de la femme. Il y a le rôle de la femme. L'homme, qu'est-ce qu'il doit faire L'homme aussi, il doit la soutenir et il doit la comprendre. Et lui, c'est l'aspect économique aussi. Je pense que cela l'a rappelé. Maintenant, s'il faut payer toujours de boîtes de lait pour l'enfant, voyez-vous, si c'est juste allaiter la fin exclusivement au lait économiquement en tout cas ça n'a pas de coût pour le père et puis ça va permettre effectivement de mettre cet argent dans d'autres aspects de manière globale en tout cas le père, la mère et au-delà toute la communauté doit comprendre l'importance de l'allaitement maternel et se soutenir mutuellement. Parce que des fois, on a compris que c'est le hommes, le papa qui constitue le frein n'est-ce pas, à cet allaitement maternel. C'est pour ça, au niveau des communautés où on met en place effectivement des communautés villageoises, n'est-ce pas, on implique et les pères et les mères et surtout, surtout les grands-parents, parce que les grands-parents aussi constituent, on dit, ah, telle belle-mère, telle, euh, euh tout ça, la beau-père aussi ont mm. une influence notable pour cela. Pour la question d'allaitement maternel, il faut effectivement impliquer tout le monde, toutes les parties prenantes pour qu'on puisse effectivement rehausser ce taux. 23%, c'est peu, mm. mais beaucoup d'efforts effectivement a été fait pendant une courte période mais nous estimons que cet élan va continuer jusqu'à effectivement arriver à un taux vraiment raisonnable de, de, Le rôle, le, rôle, le, rôle, du couple, ça euh, Sani euh, a, retracé cela. Vous, euh, UNICEF, sur le terrain, concrètement, comment vous essayez de percevoir l'importance de ce rôle Et voilà. Oui, merci beaucoup. Euh, Et à travers qui vous le faites Amado, oui. Le, le, rôle du couple, il est très important, comme il a, il a si bien noté. Mais au-delà du, du, couple, il faut dire que le, pour le couple, c'est toujours, même s'ils prennent la décision, ça devient simple pour eux. Mais il y a euh, d'autres parties qui influent sur la décision du couple c'est surtout euh, la belle famille, les, les, parents proches qui sont là. Mais il y a également ces leaders communautaires-là qu'il faudrait impliquer, vraiment. Comme qui les leaders Comme euh, les, chefs des villages, les chefs des quartiers, les religieux, les imams, les, prêtres. Il faut, il faut impliquer ces personnes-là pour la promotion vraiment de ces bonnes pratiques. Au-delà de cela, moi je dirais, on a besoin de, de l'implication également de nos autorités. Les autorités que ce soit euh, régional ou, même national, on a besoin vraiment de leur implication pour vraiment l'amélioration vraiment de cette pratique-là. Et quel est le message qu'il faut leur dire Il faut leur dire que l'allaitement maternel, c'est vraiment la clé pour un développement d'un État. Un État qui a des enfants qui, sont, qui ne sont pas allaités et un État qui est qui est en risque de permission. parce qu'elle va perdre la productivité. 23% avec vous, UNICEF, vous avez l'impression que vous avez réussi Ce n'est quand même pas aujourd'hui que la question est abordée. on ne dirait pas qu'on a, qu'on a réussi, mais on dirait qu'on est sur la bonne voie. Docteur, sur quoi il faut mettre l'accent dans les centres de santé pour que euh, cette bonne voie-là euh, soit une réalité pour toujours euh, c'est qu'il faut mettre euh, l'accent dans nos formations sanitaires, c'est surtout à ce que nous appelons la communication interpersonnelle. Vous savez, l'allaitement maternel, c'est une étape. C'est une étape effectivement de l'évolution du processus de la croissance et du développement de manière globale de l'enfant. Parce que l'enfant, c'est pratiquement dès sa conception à l'âge de 2 ans qu'il faut le suivre. Je pense que vous connaissez ce qu'on appelle la consultation prénatale. Une femme dès qu'elle est enceinte, elle part, elle est conseillée au moins de faire au minimum quatre consultations prénatales pour aller suivre l'évolution de son état de santé, elle-même la maman, mais aussi du bébé qu'elle porte dans son utérus. Donc ah, c'est à cours effectivement de ces consultations prénatales que nous devons mettre beaucoup plus le paquet pour sensibiliser les femmes pour l'importance de l'allaitement maternel et les sensibiliser sur l'importance d'accoucher dans un centre de santé. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si une femme accouche à domicile, il y a beaucoup plus de risques d'être influencée par la communauté, comme il a dit, de ne pas effectivement entreprendre l'allaitement maternel. Et effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire dans toutes nos formations sanitaires. Depuis la première consultation prénatale, une femme, si elle vient, on la vrifle on la sensibilise, on essaie toujours d'inculquer cette idée en elle venez accoucher dans le centre de santé. Dès que vous accouchez, n'acceptez pas, même si par, euh, accident vous arrivez à accoucher soit à la maison, soit la, euh, sur la route euh, en venant dans un centre de santé, n'acceptez pas que votre enfant prenne des décoctions, prenne de l'eau. Non, il faut le mettre immédiatement au sein peut-être le premier lait là que nous appelons le colostrum. Il confère beaucoup d'avantages. Comme nous l'avons dit, il constitue le premier vaccin et il va protéger votre enfant contre beaucoup, beaucoup de maladies. Merci, docteur. Un dernier mot en, 20 secondes pour l'UNICEF. Un slogan phare. Un slogan phare, je dirais euh, l'allaitement maternel. Euh, parce qu'on a beaucoup de slogans en fait qui sont phares. Euh, l'allaitement maternel pour l'épanouissement des enfants. Merci. Alors, merci beaucoup, euh, chers invités, euh, docteur Maman Sani et puis Soleil Adamou de l'UNICEF. Nous remercions aussi Madame Abdul Fattah. Malheureusement, nous n'avons pas pu aborder l'aspect religieux. C'est une thématique assez vaste. Ce n'est que partie remise. Merci donc, chers invités. Merci à vous, chers auditeurs. Nous nous retrouvons demain pour euh, un autre sujet de préoccupation. Bonne soirée.